auditeurs du studio Kalangu, vous pouvez nous rejoindre en direct à travers nos 52 radios partenaires. C'est avec un immense plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue dans ce dernier numéro de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, c'est Fanta Chamsou et je suis en compagnie de Ali Munkeila Ousseini, alias Seno 50%. Bonjour Seno, comment tu vas ce matin Je vais bien Fanta et on n'oublie pas de faire un coucou à ceux qui sont de l'autre côté euh, du studio. Il s'agit de Adama Adawaki, Ali et Abdulkader Chambiano à la technique. Fanta, est le menu d'aujourd'hui Comme d'habitude, c'est nous, notre émission sera bien garnie. Un flash d'informations pour commencer. Il y aura ensuite une rubrique entrepreneuriat, un reportage région qui nous amène à Zender sans oublier la page sport. La rubrique entretien d'aujourd'hui s'intéresse à la culture, notamment la graphie Adjami utilisée pour transcrire plusieurs langues africano-berbères. Il, y aura euh, également une bonne dose de musique 100% nigérienne. pour commencer, chers auditeurs, accueillons Nafissa Sirfo avec le flash d'information. Bonjour Nafissa. Bonjour Fanta, bonjour Seno. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Le gouvernement a, au cours du Conseil des ministres d'hier, jeudi 21 septembre, nommé 22 préfets à la tête de certains départements du Niger. Cette nomination vient s'ajouter à la liste des 41 préfets nommés le 25 août dernier en Conseil des ministres. L'agence turque de coopération et de coordination à travers son ambassadeur au Niger a remis hier un don de matériel de transformation des déchets plastiques et équipements de protection individuelle à la ville de Niamey. Ce don entre dans le cadre du projet d'appui à l'initiative Niamey Zéro Déchets Plastiques. Il sera, selon les donateurs, utile à la fois pour les travaux publics qui se déroulent à Niamey, mais aussi pour protéger l'environnement. En marge de la 78e Assemblée générale des Nations unies à New York, le président sénégalais s'est prononcé sur la situation au Niger dans une interview qu'il a accordée à un média français. Selon Macky Sall, la CDAO continue de privilégier la voie diplomatique avec des discussions en coulisses sous la direction du Nigeria et le président Bola Tinubu a d'ailleurs envoyé des émissaires à Niamey. C'est la fin de ce flash d'information. Merci Nefissa et bonne journée à toi. Merci à vous de même. Merci Nafisa. Chers auditeurs, dans la rubrique Entretien du jour, Dr Salou Alassane du département des manuscrits arabes et Ajami Delirch, Lirch, l'Institut des recherches en sciences humaines de l'Université de Niamey, répond aux questions de Mustapha Mamansani. Mais avant d'écouter cet entretien, chers auditeurs, nous allons faire un premier tour en musique avec Kissei de Yakuba Moumouni Denke Denke. C'est parti. Et oui, cher auditeur, qui est le titre de cette chanson que vous venez d'écouter, un morceau très époustouflant avec un mélange de différents instruments locaux très agréable à écouter, n'est-ce pas Fanta Bien sûr, c'est un personnellement, j'aime beaucoup le son de la flûte qui rappelle surtout les zones nomades. Normal Fanta, il faut retenir que Yakuba Mumuni Denke Denke fut un jeune berger euh, durant son enfance, puis quitte sa famille à la mort de son père pour rejoindre la capitale Niamey. Il y exerce euh, le métier de boy chez la chanteuse Absatu Dante. Voilà, euh, on, l'appelle, qui elle est plus connue sous le sobriquet de Nyazongo hein, qui lui enseigne la musique il devient apprenti mécanicien et étudie en parallèle avec le flûtiste Haruna Marufa. En tout cas, aujourd'hui, avec son groupe qu'il a créé depuis 1995, il a nommé Mamar le nom d'un guerrier légendaire qui a étendu les frontières de l'Empire Sonrai au XVIe siècle. Ce groupe fait la fierté de la musique nigérienne sur l'échelle nationale et aussi internationale. Il fait partie des groupes nigériens qui fait euh, énormément de tournées musicales en Europe et aux États-Unis. Au Niger, on dirait qu'il est l'une des références monumentales de la musique tradie moderne. Chers auditeurs, donc euh, après cette pause musicale, place à présent à l'entretien du jour qui s'intéresse à la culture, notamment la graphie adjami, utilisée pour transcrire plusieurs langues africano-berbères. Et oui, qu'est-ce que l'adjami et quelle est l'origine du terme Docteur Salaou Alassane hein, du département des manuscrits arabe et Adjami de l'Institut de recherche euh, de sciences humaines Hirsch de l'Université de Niamey répond aux questions de Mustapha Maman Sani. Au niveau du département des manuscrits arabes et Ajami de l'Institut de recherche en sciences humaines de l'Université de Niamey, nous avons principalement deux catégories de manuscrits. Les manuscrits arabes et les manuscrits dits Ajami. Les manuscrits Ajami de l'arabe à Ajami sont des compositions par l'adoption de l'alphabet arabe, al-huruf arabia, pour transcrire certaines langues africaines. Les lettrés ont enfin eu recours à cette graphie coranique pour transcrire leur langue. Cette graphie coranique adaptée est connue sous l'appellation de Ajami ou Aajami en langue arabe. C'est un relatif qui s'applique plus à la langue transcrite qu'à la graphie proprement dite. En effet, étymologiquement, Ajami s'applique à tout ce qui est affecté d'incompréhension ou de barbarisme d'où son application à toutes les langues qui ne sont pas comprises des Arabes. Quel est l'avenir de la graphie ajami dans ce contexte marqué par l'oralité Donc l'avenir de la graphie ajami dans un contexte marqué par l'oralité, je pense que l'ajami va toujours continuer à faire son, son petit bonhomme du chemin dans une société où la langue arabe, en tout cas, et les savoirs arabo-islamiques, c'est pas tout le monde qui en a accès. Donc c'est pourquoi la gémie va toujours être hésitée justement à côté de la langue savante qui est la langue arabe. quel est son avenir dans un contexte marqué par l'oralité bah, Je pense que la gémie va toujours continuer à faire son petit bout de chemin parce que nous sommes en Afrique subsaharienne, surtout au Niger, Nigeria. En tout cas, il y a, beaucoup de gens qui n'ont pas accès à, donc, au savoir arabo-islamique. Donc l'AGMI, en tout cas, peut être euh, une pièce de, recherche. Donc l'AGMI va toujours continuer à jouer son rôle, effectivement. Donc on peut dire AGMI ou bien tout simplement AGMI. Donc dans le Coran, Surat 41, donc Fussilat, les dévoiler, verset 44, Allah dit, si nous avions fait de ce Coran un livre écrit en langue étrangère, c'est-à-dire en ajami, dans une autre langue, une langue autre que l'arabe, ils auraient dit, donc les mécréants, si au moins les versets de ce livre étaient clairs et distincts. Langue étrangère, ajami et peuple arabe, répondent leur, c'est une direction vers la vérité et un remède qui utilise le hajami Moi, je pense que les, lettrés musulmans ont inventé, ont eu recours à l'utilisation de, de en partant du constat que dans la société africaine, donc en Afrique, il y a beaucoup qui ne parlent pas arabe. Donc, il faut inventer un système d'écriture leur permettant, en tout cas, de comprendre la religion. Et c'est pourquoi ils ont fait recours à la Et effectivement, au niveau du département de Malkiri arabe à GEMI, à Tombouctou, au Nigeria, on parle de la Hausa, GEMI Zarma, GEMI Bambara, etc. Donc c'est pour faciliter l'accès au savoir maintenant à la couche profane. C'est pourquoi on a fait donc recours à ce genre, en tout cas, d'écriture-là à la justement. Parce que les traits et elle parle arabe. Dans l'état de Sokoto, la langue arabe était la langue savante. Donc la langue qui est utilisée dans les domaines religieux, la langue diplomatique, etc. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à l'écriture al aujourd'hui On peut reprocher à l'Ajami le manque de sa normalisation. Quand vous ouvrez des manuscrits qui sont à notre disposition, il se peut qu'un même auteur peut écrire des mots différemment. Ça veut dire que la est aussi confronté à un problème de normalisation, à un problème de standardisation. Voilà, c'était Dr Salah Alassane du département des manuscrits arabes et ajami de l'Institut des recherches en sciences humaines ICH à l'Université de Niamey au micro de Mustapha Mamansani. Oui, chers auditeurs, avant de continuer cet entretien, nous allons plonger dans le moment tant entendu chaque vendredi. Il s'agit de la revue de la presse accueillant Mokhtar Hamadou pour euh, nous éclairer sur les faits marquants de la semaine. Bonjour Mokhtar. Bonjour Ali Oussaini, euh, bonjour Fanta Chamsou. Bonjour Mokhtar. Pour commencer, défense et sécurité au Sahel, le <clears throat> Burkina, le Mali et le Niger veulent mutualiser leurs forces dans une alliance défensive, titre à la une de l'hebdomadaire Niger Inter. Et oui, trois pays du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont commencé, ont annoncé samedi la création d'une alliance défensive pour mutualiser leurs forces dans une région en proie à l'insécurité et aux attaques des groupes armés. La naissance de l'Alliance des États du Sahel AES à travers une charte dénommée Charte du Liptako Gourma vise à établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle au bénéfice des populations apprentant. Cette alliance tripartite est paraffée par les chefs d'État, le général Abdraman Chani du Niger, capitaine capitaine Ibrahim Taraware du Burkina Faso et colonel Hassimi Goïta du Mali. Elle entend jeter les bases d'une nouvelle architecture de défense euh, permettant de faire face aux diverses menaces auxquelles est confronté chacun des pays. Burkina Faso, le Parlement donne son feu vert à l'envoi d'un contingent militaire au Niger, titre le site d'information Actu Niger. Et oui, l'Assemblée législative de transition a adopté mardi 19 septembre le projet de loi portant autorisation de l'envoi d'un contingent militaire au Niger à l'unanimité de ses 71 membres, le Parlement de transition burkinabé donne ainsi son cutus au gouvernement pour intervenir dans le pays voisin en cas d'agression, en conformément aux accords convenus entre les deux pays membres de la nouvelle alliance des États du Sahel AES selon le ministre de la Défense burkinabé, le colonel-major Kassim Koulibaly. La mission du contingent militaire a une durée de trois mois renouvelable en terre nigérienne dans le but de lutter contre le terrorisme et de contribuer à stabiliser les États de la région du Liptako-Gourmand. Mokhtar, en volet santé de cette revue, l'ANP, l'agence nigérienne de presse, nous informe d'une épidémie de la conjonctivite Apollo qui sévit à Niamey. Une épidémie de conjonctivite appelée Apollo qui sévit depuis plus de mois dans la ville de Niamey selon les spécialistes de la santé. De nombreux cas ont été enregistrés ces dernières semaines. Parmi les personnes atteintes, plusieurs sont sous traitement tandis que d'autres sont rétablis grâce aux soins prescrits par les médecins traitants pathologie qui se manifeste notamment par la rougeur des yeux Apollo est très euh, contagieuse surtout et se répand avec euh, le contact physique avec euh, les sujets infestés. Selon un ophtalmologiste à l'hôpital de référence de Niamey, la maladie est transmise rapidement d'une personne à une autre du tic au tac parce que les personnes ne prennent pas des mesures de prévention et minimisent sa dangerosité. Eh bien, Mokhtar, campagne agro pastoral 2023-24 l'élaboration d'un plan pour accroître la production végétale et animale au Niger titre l'hebdomadaire Niger Inter. Selon le journal, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Mohamed El Haj Ousmane, a annoncé lors du Conseil des ministres du 9 septembre dernier l'élaboration d'un plan de campagne agropastorale pluviale 2023-2024 et d'un programme d'intensification des cultures irriguées afin d'accroître l'offre des produits alimentaires dans un pays sous le coup des sanctions économiques décidées par la CDAO pour ce qui est du programme des cultures irriguées 2023-2024, son objectif est d'améliorer la souveraineté alimentaire des populations nigériennes en augmentant la productivité agro-silvopastorale et halieutique. Le programme est essentiellement axé sur deux composantes, à savoir l'intensification de la, des productions végétales à cycle court et l'intensification des productions animales à cycle court. Un programme qui se veut une solution endogène d'urgence face aux mesures prises par la CDAO à la suite du coup d'État militaire du 26 juillet 2023 et c'est ici que prend fin la revue de la presse de ce vendredi 22 septembre 2023. Merci Mokhtar. Chers auditeurs, à présent, nous allons continuer l'entretien du jour. Oui, nous. dans cette deuxième partie, Dr Salah Alassane nous parle cette fois-ci des disciplines qui sont réputées dans l'usage de la graphie à Jamie et aussi la période pendant laquelle cette écriture a prospéré. Il est toujours au micro de Mustapha Momansang. En consultant les répertoires des manuscrits arabes et ajami en huit volumes, donc composés par l'équipe du département des manuscrits arabes et ajami de l'Institut de recherche en sciences humaines de l'Université Abdelmoumoun de Niamey. On peut euh, dire que les disciplines traitées par l'usage de la graphie ajami peuvent être euh, résumées de la manière ci-après. Nous avons donc à euh, Atib al-Mahalli, la description et le traitement traditionnel des maladies Assaidala, les propriétés des plantes et les modes d'emploi, Ilm al-Asrar, des textes servant dans le domaine des sciences occultes, des traductions d'ouvrages, textes arabes vers une langue africaine. Il existe de nombreux textes à caractère administratif et diplomatique, échanges épistolaires entre sultans ou chefs de province entre personnes alphabétisées, etc. Mais le domaine religieux est le plus concerné par cette graphie puisqu'il concerne les disciplines suivantes. Nous avons donc l'exhortation religieuse ou le was nous avons les tawhid ou sciences de l'unicité de Dieu, etc., etc. Les manuscrits Ajami, légués par les dévanciers, permettent d'avoir une idée des disciplines concernées par ce genre de graphie. Seulement, il faut se garder de généraliser dans un domaine aussi vaste et peu connu. Mais notre échantillon peut être considéré comme représentatif. En fait, l'Ajami a concerné tous les domaines d'activité des lettrés. Ainsi, il existe des traités dans les domaines ci-après, Atib al-Mahalliya, la description et le traitement traditionnel des maladies. Donc, mieux vulgariser le savoir religieux et les connaissances. Il a fallu trouver les moyens le plus proche du croyant. Ainsi, les lettrés locaux, milieux confrériques plus particulièrement, se sont versés dans la composition des textes en langue locale. Et pour libérer la mémoire, la graphie coranique était l'unique recours à leur portée. Cette graphie va donc être utilisée en fonction de la spécificité de chaque langue et en tenant compte des variantes pour celles qui en ont. Par ailleurs, nous savons aussi que cette littérature agémie fut mise en contribution méthodiquement comme moyen de combat dans le cadre de la réforme religieuse jihad engagée par l'échec cheikh dans Fodio et dans la consolidation politique de l'empire théocratique de Sokoto. Quelle est la période à laquelle les lettrés ont senti la nécessité de recourir à cette graphie et de la développer L'hypothèse défendue par la tradition orale affirme que l'utilisation de la graphie coranique est ancienne. Elle remontait au XVIIe siècle, mais son utilisation et sa grande diffusion dateraient du XVIIIe siècle lorsque l'islam s'est progressivement répandu aux couches populaires non alphabétisées. Il a donc fallu trouver une méthode adaptée à la situation et au fait que la large majorité des croyants ignoraient l'arabe, restait langue savante. Au Soudan précolonial, la est largement hésité à côté de l'arabe, et c'est là dans toutes les activités intellectuelles par les lettrés et les masses populaires alphabétisé dans les échanges épistolaires, en particulier durant la période coloniale. Dans l'état actuel de nos connaissances, rien ne permet d'indiquer avec certitude la période à laquelle les lettrés ont senti la nécessité de recourir à cette graphie et de développer cette littérature au Soudan. Nous ne disposons pas non plus d'éléments de référence permettant d'indiquer si c'est une imitation des autres communautés musulmanes, les Perses et les Berbères, qui ont eu à l'adopter probablement longtemps avant le peuple du Soudan central. Historiquement, la notion existait avant l'islam, puisqu'elle préoccupait les poètes de la période anti islamique Shu'araw al-Jahiliyyah. À cette époque, Ajami s'applique plus généralement aux langues des peuples voisins qui sont les Perses, al dont la langue est incomprise des Arabes, et plus tard aux Berbères, al pour la même raison. Par conséquent, faut-il noter que l'essence de ce mot est fonction de celui qui l'utilise et du contexte. Les, les Arabes donc l'opposé à l'éloquence, fasaha, qui selon elle, est la caractéristique même de la langue arabe. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, la rubrique entrepreneuriat de ce vendredi nous amène à la découverte du groupement des femmes pinales des Birningaouré, un groupement composé d'une dizaine de femmes très actives dans la transformation du lait. Et oui, en plus euh, de cette activité, elles sont aussi, euh, là, elles sont aussi dans la fabrication du savon pour la vente et aussi pour leurs propres besoins. Euh, Madame Salamatou Abdou, présidente du groupement Pinal nous en dit plus. Elle est au micro de Hawa Ousmane to zanga so nigi niga kirisi aran group mo din hal gara kore on mo ir bor wayin to fo gati go ngaran gati wano ir gati ir gati wa gani ir gati yawur ir gati wa mo to so ato gir margi ngaran group mo do fere am to giri jama janvier nir na fere to hal aran ka group mo do za do aran kanga wa safar zanga aran aran wa transformation ay wodo niga te zama za group mo woni ir mana fere kinga furu groupement fora groupement wodin a sega te ga bore inga noire ga do projet fo kan ka irma projet a go ga hayo fe ne sankan kan yin go guru kan sin da kan bi goi im ka miri irma ir koi nodin ir nir bon sogon inir sangu inir ga aksine kan dir se machine ya tam son ir ga te solani ir kan bi solani solani o isina se kala pentida dir te yawo

gofoga to zanga sun wadin kan aran gogate aran ne wakil wakin narin ganiyar kan na kazan ka yanga tallaran sai aran kwanda nan gofo ganiyar ya mun sun tin kwanda nan gofo ganiyar amma irgo irko mare ne ko jina irwa ima bai nan insha Allah halaran gofuro wadin goyora aran na bere ko niyanke doktor kwar bere kan ga hagoi da al'umma kina Ina inaran wadunguna ile wa hannuno wal na gote wallahi irma niki amma ikan dirse haikan gana irma wa ne su gabuna dirna dan da gori irga bai da su gori mu irga bai halir gawo wa fudum na gogoi da? o wada ne da. irgon da fulan kan yanga kan dirse an fayin irdi bon irgoi ga irgon da pokor kan ko ga wace to zanga sun wa um farole ko ŋara noro ko ŋara ngoɗo mata ŋara ngoti ar ngoga hawsunda noro kan ir kanandi un ir riba ka ga riba irma a gisi a fa no irga ir dir chale ngamara Zaga, ag to wa litir marjik na aran da hinga hansi aran mai giniyar kwai wato danga dai dirgo ga solani mutu a ga hinga te mutu litir wai ta ci kwai litir zanguya zarura solani wa kan irgiti solani wa banda irin ye ga te ya wuro kenan ikulu iman tafu ya wuro irga te danga dai litir woron ka kwai litir woron zanki a kulmu aran ga hinga ne zarura an foyin da dai mi gona. irga hinga ne da dai misinu mu irga nera girbinza da kira gama zama biti kwaye no ka san birsi shi di hanu a kulir gane abun hannu to ni bai wa har no kan agayen agba gwe gine hannu zangi gine frigo yankan igadan aran frigo ya yaki ne matikin aran do frigo din kan aran gogo hadin hansi ga ya ara frigo beri hin kan no irsi irgi sokon sokon hin no irgon da shi fon ya kan irga non go tusu kalam buri to mo kan da ka wa hansi mo mafogati hankaran ba aran mu koiti ne koi kaina aran wani gurbin wadin fondara irgo wa banda irga tisafu voilà, chers auditeurs, c'était la rubrique hebdomadaire. Avant de continuer cette émission, nous allons encore souffler en musique, n'est-ce pas, nous Oui, Fanta, le prochain sur la liste est le son Diam Diama de Dias Chris.

komian na kenana jasibiri nan kwale mo ko komian ake kenade talari nan kwale mo ko komian ake kenada na nan kwale moko ko komian da.

Nyama pwani ya nyama yesigala e ntamu mo yesigala ntamu pwani ya nyama yesigala ntamu pwani tuyasigula ntamu pwani ya nyama Voilà, chers auditeurs, à l'instant, c'était bien le titre euh, Jam Jama de Dias Chris. Hein. Dias, euh, de son vrai nom, Dias Chambiano, et l'une des figures emblématiques du reggae nigérien. Artiste peintre, désigneur, Dessinateur et musicien, Diaz fait partie euh, de cette nouvelle génération de musiciens qui ont plusieurs casquettes. Il s'inspire toujours des chansons rythmiques de son terroir. Il est le propriétaire de la galerie Taoïdo, une galerie installée à Niamey qui représente pour le peintre Jacibo Diaz un moyen d'initier les intéressés à l'art. Cette galerie se veut également une vitrine pour les artistes locaux en quête de visibilité, une plateforme de promotion de l'art nigérien. Son répertoire musical est divers et varié, hein, et puis euh, qui euh, peut s'adapter partout. Influencé par euh, les airs gourmandiers, une communauté ethno-linguistique se trouvant un peu au, au, Mali, au Burkina Faso et au Niger. Il s'en inspire pour en donner du style et de la et euh, de la prestance voilà, à travers un style qu'il a nommé l'Iptako Reggae. Voilà, donc après cette pause musicale, sinon nous allons passer au reportage région, n'est-ce pas Exactement. Ce matin, nous allons faire un tour à Zander où notre correspondant sur place, Zaratou Boukar, nous amène au cœur d'une carrière, enfin, euh, d'exploitation, hein, elle évoque surtout les risques que représente cette carrière. On écoute son reportage. La ville de Zender regorge des carrières en fin d'exploitation, parmi lesquelles figure celle de Kwaya, en plein cœur du quartier Karakara de l'arrondissement communal 2. Depuis la mort de trois jeunes garçons causés par la chute d'un bloc de la carrière, les riverains se disent inquiets, comme en témoigne Baroma Mustafa, chef de quartier Karakara. Eh, Aujourd'hui, cette carrière en fin de vie représente un grand danger rien que par sa hauteur qui donne des vertiges. Les risques sanitaires et environnementaux sont énormes, a laissé entendre le spécialiste des risques environnementaux, professeur Moussa Malan Abdou, géographe à l'université André Salifo. Une force euh, d'une dimension de l'ordre de euh, 8000 m2, euh, j'évalue à peu près. 1 mètres à une profondeur de 5 mètres, ça veut dire que le volume c'est dans le 40 000 mètres cubes s'il faut euh, estimer à peu près le volume. Et donc ça, ça constitue un risque d'autant plus que euh, cette fosse-là, elle est entourée par des îlots. Alors en termes de risques, évidemment, euh, vous voyez dans certains endroits, il n'y a même pas de limite. Les enfants peuvent peut-être accéder. Et si un enfant par hasard ou par malchance justement tombe, c'est le décès qui risque de se produire. Là, du point de vue donc des dangers, ça c'est quelque chose qu'il faut forcément éviter. Des dangers qu'on considérable à prendre au sérieux eu égard au phénomène des mouvements de masse et de la sensibilité de la zone, explique professeur Abdelkader Moussaïsaka, géologue à l'UAS. Ce sont des formations géologiques qu'on appelle précisément des quartzites. La particularité à ce niveau, vous allez remarquer qu'il y a des formations structurales qu'on appelle des diaclases, c'est-à-dire que c'est fracturé et que localement, vous avez ces fractures qui sont visibles et cet enchaînement des failles va se matérialiser sous forme d'escalier. Et quand on parle d'escalier, ces couloirs des failles vont être des zones très sensibles à l'effondrement. Avec les conditions climatiques du moment, l'eau, les vents vont aussi mobiliser les particules dans ces couloirs. Face à ces défis, des solutions drastiques s'imposent comme le remblayage de la fosse, note professeur Moussa Malan Abdou. Cette fosse-là, s'il faut par exemple la combler, c'est dans l'ordre de 60 000 tonnes qu'il faut, je crois, 60 000 tonnes des sables pour qu'on pour puisse combler cette fosse-là. Euh, qui est capable de prendre cela en charge Forcément, c'est la collectivité, en tout cas pas les individus. Sinon, les risques vont toujours perdurer et ça va se réaliser un jour euh, par la catastrophe. Le problème des carrières met à nu le problème d'accélération et de provocation des dégâts environnementaux au Niger. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Place à présent à la page sport avec notre chroniqueur du jour, Sariu Adam Yerima. Bonjour Adam. Bonjour Fanta. Adam, bonjour. Bonjour, nous. Alors, nous débutons cette euh, page euh, de sport à Baleara où la lutte est considérée comme le sport roi pour les femmes. Eh bien oui, la particularité est que dans cette ville, les femmes assistent massivement aux différents tournois de lutte pour galvaniser les lutteurs, a laissé entendre Chebou Souley Aliou, entraîneur régional de lutte. Il ajoute, bien que les femmes de Baleara ne pratiquent pas la lutte, elles apportent un plus pour le rayonnement de ce sport dans le département. Il est au micro de Hassimi Gourouza. D'ailleurs, les meilleurs supporters de la lutte au Niger, c'est les femmes. Quand vous voyez dans n'importe quelle arène au Niger, quand il y a un petit tournoi, ne serait-ce un tournoi de jeunes, et la majorité de ceux que vous allez voir, des gens que vous allez voir dans les arènes, c'est les femmes. Même si elles ne peuvent pas faire le combat, elles font leur combat de côté. Parce que ne serait-ce supporter un lutteur aujourd'hui, vraiment c'est un combat. Et quand vous voyez dans toutes les arènes, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Y compris Belair y compris Baleara. Et je vous assure, euh, tant que euh, le district de Ligue va organiser un tournoi, nous, on va essayer de tout faire pour que le studio Kalangou vienne à Baleara voir l'Angouma. Du côté des femmes. Du côté des femmes. Moi, je, je le certifie parce que j'étais venu ici avec les lutteurs de la région et vraiment, j'étais dépassé. C'était la première fois où j'étais venu avec les lutteurs de la région, mais j'étais dépassé. J'ai vu que euh, à Balayara, c'est pas seulement la lutte, l'affaire de la lutte, c'est pas seulement les hommes, et c'est aussi les femmes. D'ailleurs, dans les arènes de Balayara, les femmes sont toujours plus nombreuses que les hommes. Et vraiment, Dieu merci, si les femmes s'intéressent dans une activité, monsieur, rassurez-vous que ça va marcher. Ça veut dire qu'un jour, on peut voir une femme au Niger ou bien des femmes faire la lutte Inch'Allah, avec le temps, vous allez commencer à voir des femmes en train de lutter dans, les arènes du Niger. Parce que présentement, moi, j'ai deux élèves qui s'entraînent. Ce sont des judokas et elles s'intéressent à la lutte et elles luttent aussi. Super, et toujours les femmes à l'honneur dans la suite de la page sport, n'est-ce pas Adam Eh bien oui. D'ailleurs, le MENA national, version féminine du Niger, affrontera l'équipe de la Tunisie en match aller aujourd'hui au stade Soliman de Tunis à ce jour heure de Niamey. Et eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Au plaisir de vous retrouver pour un autre numéro. Merci, Adam, et bonne journée à toi. Cher auditeur, il est temps de vous présenter notre étoile du jour, n'est-ce pas, Fanta Bien sûr, c'est nous. Aujourd'hui, nous allons dans le département d'Etera à la rencontre de Abdul Nasser Hima Sahabi. Il est enseignant de formation, mais il, porte, également plusieurs autres casquettes. Son portrait avec Moussa Boukarikanda. Âgé de 35 ans, Abdel Nasser Hima Sahabi est un enseignant ressortissant de la commune urbaine de Téhéran. Au-delà de l'enseignement, il est calligraphe, dessinateur portraitiste et sérigraphe. Pour lui, c'est un parcours professionnel qu'il a commencé depuis son jeune âge. Mon parcours professionnel, ça, je l'ai appris auprès d'un ami. J'ai passé par une phase d'observation, je l'observais travailler chaque jour. Après, je lui ai demandé de me former. Il m'a formé pendant un an. Après, j'ai commencé à faire pour moi-même. J'essayais de faire avec les boutiquiers, faire des dessins sur leur boutique, écrire des numéros jusqu'à ce que ça s'est amélioré. En vue de se perfectionner et améliorer son travail, Abdel Nasser Hima Sahabi a tiré sa source de motivation des œuvres de ses pères. Je suis trop fan des dessins, quoi. Quand je vois les dessins, ça me plaît beaucoup. Donc, euh, ça m'a motivé vraiment. C'est vraiment ma passion de faire des dessins, des trucs de calligraphie, écrire, et les gens apprécient. C'est ça qui me plaît. Le manque et la cherté des outils de travail sont les difficultés auxquelles Abdel Nasser a fait face dans son métier, c'est qui l'a d'ailleurs poussé à s'engager de manière professionnelle dans son travail afin de les surmonter. Il y a toujours a des problèmes dans toute profession comme euh, la nôtre. Des fois, il y a la chérité des matériaux, le manque de matériel aussi. Des fois, tu as besoin de pinceaux, puisqu'il y a plusieurs types de pinceaux. Il y a certains pinceaux, tu, tu en as besoin, mais tu ne peux pas les avoir ici, à Terra. Il faut te déplacer pour aller à Niamey ou bien faire une commande vers Ouaga pour que tu les avoir. On a toujours des solutions pour les surmonter. Parce que quand tu n'as pas le pinceau, tu fabriques pour surmonter le problème, pour ne pas attendre ce qui ne vient pas. Un seul travail n'est pas synonyme de bonheur. Hein. Aujourd'hui, si tu te focalises dans un seul boulot, vraiment ça ne peut pas aller. Donc il faut multiplier les activités. Au moins ça si ici ça ne va pas, ailleurs ça peut aller. C'est ce qui m'a poussé à m'engager. Abdel Nasser Hima Sahabi transmet un message aux jeunes et lance un cri de cœur à l'endroit des autorités et des bonnes volontés pour aider les jeunes ambitieux à réaliser leurs rêves. Mon objectif c'est d'ouvrir une grande entreprise. J'ai commencé mais vraiment le manque de moyens, ça me ralentit de trop. Le conseil que j'ai à donner aux autres, c'est de multiplier les activités, de ne jamais baisser les bras. Aujourd'hui, le travail que je fais là à Terra, c'est pas tout le monde qui le fait. On n'est que deux. J'invite les autres à se former comme nous. L'appel que j'ai à lancer aux autorités, c'est d'aider ceux qui n'ont pas les moyens comme nous de continuer de faire fonctionner leur entreprise. Parce que quand tu ne fais rien, tu peux finir délinquant. Vraiment, nous cherchons de l'aide. Toute bonne foi, il peut nous aider de nous aider à réaliser nos rêves. Voilà, c'était le portrait de Abdul Nasser Hima. Chers auditeurs, un autre tour en musique avec le titre Insa, Insa Ido, voilà, de l'artiste dans la FIA. C'est parti. Superstar tashi sa kiɗa. Me yasa ba ku san na kaddara ba? Me yasa ba ku daina yaudara ba? Ku bar jahiltar harka ta raba Da addu'ar iyaye muka takama, su suka ce Allah kiyaye. Ina na da sa ido ba daɗi na duniya ba ban yi abin na yaudara ba wannan ba fa abin munafinci ba to a hakan kuke ta na? me ɗaki ya san wurin da ke mai yoyo wasu na ɗauka alhaki na wayo ba ku da masanin hakan ɗan juyo saki ba a kamu ba tunda an ce da wuka kawai ake yin rauni dan makahon daji shigarsa ko kai illa wuta a jikin dan adam ko sai ya kwalla muna gani muna yi muna salo da yayi ko kuna ta yin bulaye tunda ilahu ya aranda dama za mu dama muna wuce mamar sana dama Voilà, chers auditeurs, euh, c'était là l'artiste dans la FIA avec le titre Insa Ido. Eh bien, l'artiste à l'état civil, il répond au nom de Yahya Mohamed. Il chante depuis plus, depuis plus de 5 ans et nous a confié être passionné de musique depuis son plus jeune âge. Il est acteur, interprète et chanteur. Il a commencé euh, d'abord par en suivant tout simplement les artistes savants d'être d'être en être un il chante pour éduquer, distraire et parler de la vie sociale. Pour le jeune chanteur, la chanson est un atout car il en a fait un métier. Alors Fanta, quel est le sujet de ce jour pour le loti pour le loti, nous, nous allons parler des responsabilités du mari envers son épouse, car dans nos sociétés et nos cultures, les responsabilités de chaque conjoint sont situées. Écoutons cette discussion entre Rekia Arimi, Samira Rouafi et Asma Nashina. <laughs> Loti. Loti. Loti. Loti. Wa assalam. <laughs> Aisa, ba ni mo kan ni goga Ifo gati. Tanti ai wai farga sihini ya subhanallah ga budaino wallahi yayi farga subhanallah hadda buya ifo gate heka kiyese bani ifo note wallahi usman no amma ba te handu in ka kai ka fuya ai salan aga sai ta bokan ai te usman bande aga salan ai sai aga ne ye. so ingine ya ayega sintin inga da yama a gwanda nogo amma a singa ban wari daga gisir se ga ha a wanji ga fu nogo bana kal windi koyo gidi ka kaye bon son koyi ne zan kai nogo ko je soki nim kandala kol a wanji no koyi na gwanda nogo so ingi zan kai gono dinga gisai se fu yan isi koi la kol wallahi sihini ai isi ya ga wallahi he irkoi <laughs> he dangai nangai mai hijabu sambo gaka iru koi gagar nodini ai gikya sai haikan yan hima di waltanti a si ba fu. Hey, nan akka gaigar ne Ai go ne ba ba ba ba ai gutu su bana. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ah, tanti ana irko rankuna lokaci ku kora. Oho, ai ga ne za su bai na go ne ai gogin bot. <laughs> tabbat aranga cim aiman wasu ka haboci na no go yadin so da ko mbo kasino to irko dai mu dago nan di aizo ni ma ga sai nai ka windora ka goro irin salam to ni di kan sai aika ne newo ai mu doga salan ni seno hayai wo kan ni goga te asibori ate handu yanne ya kan aika aina ran sabandi nin da aisa ni gorga sino kan halga kason niman barmai son wa ayyuka aise da sanni ta gifu kwai ne halga ka son ni da hadin bar mai wala aha haisa ni goge ma wasar kurara yan banda ka din kun fu wai haire do kai jombe ha'a usman amanin masara guna ba a ga hamo ganki gun matikan ko ciwo ga hamo goda ha a fabu a bi ya kino ni kai ga sambun da ni siga ngwayendi ni siga bankarai ha wofo tini goyo windo wora tantam ai bokan ta kurnyo yan na igor habora ai kursi ba han kan ganwa ai mi ye ka ne kai n'a kan ai gudu ne ye ko ka jine te jen dai da ye kan da habora be du riba ai ga kanda wal man ta dinu usman irkoi dai mini yafa ni wanda wo no go hai kuljine a wani yan a wani ware a wani bankara da wani gahamu bano ni himano ni maguna zaka nin yi ko harga kata newo ni bonno a wani tina kulgo ya dino arsila tarai ne amma ni wa mutikan ni goga bunda. irko gihin gin hada su bafa subhanallah tanti hamsu musibo na won ware yasi ya dinga din si baba na wo min gana gorgin halai hansefa hai kai na kan ni gudu a ga wasa ni wani neran do din wani almiya laise ni si bai matukan no zankai gin na fanda su ba di tunu amma din si ga din si ti sai haiki gaba su ba isi ba ga, abin da ga kan bana musu ba tanti walhanan aisi aranga cim man tai gano ni ga alhaiha ni wanda gano ni ga alhaiha usman ar ma dugaran gwarai te i hannu aisa alhana isi musfan da yi hinne ai faham da ta loda tinawa kan gwaijin da bandabo dai so mu aban in kunu me ai kul kan gwaijin da bandabo ai ke sin ka tabbatan di ni da zan kai sai ai wai sigiya din ga mbono usman ai sofu dai mi yefu zama ga bekan ni ga yegsintin aisa ai ga tabbatan din sai kan asiye ga fili ko ne wone wo a yayi ka kati haisa hay kan yi gici ni se gorni fuwara ni misali ni zan kai din kunye za ka ni kunye wo ni ha alhahi ma alhana se ayo garan nan arma garan sannai hanse aran gamara duk sabun sai tan irkoi dai ma gamba to irkoi ma albarka da naran Voilà, chers auditeurs, accueillons à présent Habiba Ahmed pour la culture linguistique. Bonjour Habiba. Bonjour Fanta, ça va Bonjour, Habiba. Bonjour Seno. Alors, quel est le mot du jour Aujourd'hui, nous allons vous parler du mot transférément Vous savez, on a tendance à parler du transfert, mais je voudrais vous dire que ce mot a un sens et ça dépend du contexte dans lequel il est utilisé. D'abord, le transférément est un terme générique qui désigne tout changement d'établissement. Il est plus commun de parler de transfert en pratique, le transfèrement consiste à déplacer un détenu d'une prison à une autre. C'est pourquoi on a l'habitude de croiser ces mots transfèrement dans les milieux juridiques. da tamajaka transferema nartuwaci gana tsigilitar cin hani da gen tawa kuse da gen el misalin kene da gan kaso mushile awa dinya no bazana tu tak sedi tawa kudare da gen inki da snimal transferema c'est fini pour aujourd'hui à la prochaine Tani Mertz, merci euh, Habiba pour euh, nos auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser un message au 82 89 89 64. J'ai dit bien 82 89 89 64. Si vous avez des mots ou expressions que vous aimeriez comprendre en anglais, en Hausa, Zarma, Tamashek ou Fulfulde, votre participation est la bienvenue. Et justement, il est temps pour nous d'écouter les messages envoyés par nos auditeurs. Mhm. ina sauraron kalangu bisa ga abubuwan da aka yi lalle abubuwa na masu mahimmanci lalle abuna mai waye mutane kanu saboda hakan kalangu muna jin shi na mishi mu nan birnin kwanni muna yabo ne ɗari bisa ɗari to muna son a ci gaba da shirye-shiryen nan na kalangu muna fatan allah shi kama muna muna samu muna watsa abubuwan da muka gani muna haɗa muku kuna sawa ni dai suna na haruna lawal sanda likita ne a csc urban eh gaskiya studio kalangu kenan muna ji duk information da muka saurara he muga kuma realite a zahiri he mu gani kuma sosai a tace yake muka rasa daga ina ne da muka yi tambaya mu aka ce abin aka yi daga niyami a rarraba shi ya kara ko awa biyu ko awa biyu da rabi eh suna na mala habibu dan katsari to wallahi ne shirye-shiryen nan ya komu suna birge wata sabili da mu a karuwa da wasu abubuwa da ake nan gayi bisa kansu da shirye-shirye ne kuma waɗanda ake waye mutane al'umma kanu bisa kansu waɗanda wayansu ba su sani ba kuma wayansu sun sani mu dai babu abin da zamu ta sai dai mu ce su ƙara waye mutane kai bisa ka abubuwan da suke nan ta yi bisa kan shi sunana Ibrahim Iliya malam makaranta ne da nake sarba gaskiya labarin studio kalangu muna sauraron shiga radio tarmamuwa ta sawa kuma suna faɗakarwa suna kai sako lugu da lugu sosai muna sauraron su gaskiya bakin gwalgwado gaskiya shirye-shiryen nasu sai dai in ce su kara hazaƙa kuma su ɗan ƙara lokaci tunda kamar wani biyu lokaci yana mana kaɗan sai mun koro labari muna saurare abu da daɗi kuma sai lokaci ya ƙare. Tido gubara kulu aran fai bani mata gaham isna sai kal Zainabu ai sikal no ne balle da bagin da gana gai haru nera ay naran cem naran se kan ayram mu fondo da ko karo karan go labarai no ino ngodo hara wicir kan bukulir ga hanganaran labarai se wano wano we borai bato sigiro furta je labarai da labarai kan aran girno Niger fi hazul matara labarai menda menda nirga ma studio kalangujin dabo irgaran fondo goy qui prend fin votre émission Le Niger sur Kalangu de ce vendredi 22 septembre 2023. Nous avons adoré passer ces moments en votre compagnie. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Oui, à la technique, c'était tout simplement Abdul Kader Chambiano et à l'édition, c'était Adama Dawaki, la grande dame, et accompagnée par Khadija Isaka.